dem ci li nga xamante ni mooy suñu deuxième partie. Mm. alors euh, mu ngi noonu dañuy xaar euh, ñi teewlu ki nga xamante ni rek mooy Laye Pythagore nekk ancien membre et cadre de PASTEF nekk foofu ca Suisse euh, tey nag bokk na ci li nga xamante ni mooy suñu gan jëm ci suñu plateau l'essentiel du matin moom dañ koy xaar mu daal di indi ci réaction ci li nga xamante ni mooy sortie bi nit dof daal di def ak ki nga xamante ni rek mooy Tapha Mbeur parce que mën naa ni fii Sénégal wala wala réew sax Wally ku ci nekk am nga sa wàll ku ci nekk am nga sa xalaat boo xamante ne rek moom ngay fësal mais mu nekk xalaat boo xamante ne rek dina jariñ ñëpp xalaat bu objectif alors euh, laay su fekkee yaa ngi ci ligne bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la teewlu euh, ci suñu plateau l'essentiel du matin Ablaye Pythago ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mm-hmm. euh, euh, mm-hmm. wax ñëpp juma laa dégg nga war a àddu ci li nga xamante ni mooy sortie bi nit doof daal di daal di def ak li nga xamante ni rek moo ñeel kii di Tapha Mbeur alors lan nga ñu si mën a indil ci loo xamante ni rek moom lañ la war a teewloo. dans un premier temps ce euh, ma euh, du sorti Sénégal c'est pas une manière de faire par rapport à une jeunesse qui il se dit comprendre les enjeux je pense que nous, comprendre les enjeux on doit tout faire on doit s'unir autour d'un seul but c'est-à-dire garder d'abord la stabilité du Sénégal à n'importe quel prix mm-hmm mais je dis bien à n'importe quel prix, mhm. avec n'importe quel compromis, quel genre de compromis. L'essentiel, c'est de garder le Sénégal stable. Mhm. Ça, c'est la première des choses. Mhm. Et maintenant, il y a une manière de faire, pour une stabilité, ou bien comprendre une instabilité, là, le ku nekk am nga droit kaas li ngay kaas. Mhm. ku nekk am nga droit ànd ak ki nga war a àndal. effectivement mais à un moment donné dañu war a jël Sénégal ñu teg ko ci digg bi. Mhm. bañ jël partisanerie wala far wala fenn euh, wala féete fenn teg ko ci digg bi te xool intérêt Sénégal. et intérêt Sénégal boo xoolee li nu wër tey. boo xoolee li nga xam ne mooy xaw ci monde bi nga xam ni intérêt Sénégal tey nekkul ci mu am instabilité ak lépp loo xam ne rek mun na ko yóbbu ci instabilité rek. même bu fekkee ni da nga am dëgg te jàpp ma ni am na ñu dëgg sax jaarul tey yóbbu Sénégal ci instabilité boobu. donc man ci loolu encore lay woote à contre courant par rapport ak ñoom li def que woon ndaw ñi ils ont le droit. que le processus est enclenché. Ils ont le droit d'aspirer à une souveraineté. Ils ont le droit d'aspirer à une certaine liberté et une démocratie, même après, ça dépend maintenant qu'elle mais ils n'ont pas le droit d'induire en erreur des gens qui n'ont rien compris par rapport aux enjeux. Parce qu'actuellement, ce qui se passe au Sénégal, par rapport aux enjeux géopolitiques, ça va au-delà li nga xam ne moom mooy xew localement. Mhm. exemple bi joxe gis nañ li xew Mali. Mhm. Mali tey c'est vrai bu fekkee ne dañuy woote bu bi du gërëyee gërëyeelu affaire bi du wane njàmbaarte goo xam ni ndax Souleymane fay waykat bi dafa am lu mu waxoon. Mhm. dafa ni Sénégal teewlu teeylu leen goney réew mi teeylu leen borom yat du xeex ak borom fetal yenn dëkk bopp yi jaay sa askan la. noonu la ko toppee ba ni jaay sa bakkan la. ba tegaat ni jaay sa diine la yéen ñëpp xam ngeen way wi mm-hmm. way woowu tey nag dañoo toll ci digg way wi mën koo interpréter par rapport ak li di xew en tant que nit dof nag moom bi may interpeller dama koy interpeller moom en tant que tel moom xam na ni par exemple li nga xam ni Ousmane Sonko ak Pastef bi mu féete di ko faral moom xam na ni pareeguñu pour yore réew mi moom xam na ko parce que ñoo xam ni parewuñu pour yore benn parti politique bu ndaw ñoo xam ils ont fait cet échec lamentable par rapport ak li nga xam ni yaakaar bi nga xam ne askan bi tegoon nañ ko si yomb bu fekkoon ne des vrais managers bu fekkoon ne am nañ des vrais leaders tey un bi duñ fi nekk di xeex di wax nañu génne Ousmane Sonko ci kasso alors alors alors si si si si foofu sax la lay laa lay laay taxawee euh, monsieur Pythagore parce que bu fekkee argument yi nga xamante ni yang koy wax que ni jusqu'au euh, problème bi fi mu yam est-ce que yow moment nga nekkee membre Pastef yaa ngi doon mel. mais moom foofu laa bëgg a ñëw ci yow man j'ai mm. toujours été man ànduma ak benn nit ci àdduna. Mm. xam nga kan laa àndal Sénégal man faraluma kenn mm. Sénégal la faral. Mm-hmm. képp ku ma àndal Sénégal moo tax ñuy oui le discours de Ousmane Sonko plaît. oui le discours de Ousmane Sonko est cohérent. Mm-hmm. mais entre la le discours et le parcours c'est moom moo ko doon wax. un politicien c'est le discours c'est le parcours. Même Ousmane Sonko Morandi, il faut être exigeant avec les gens qui aspirent à vous diriger. Mhm. J'aime pas parler et personnaliser. Mais c'est-à-dire, quand on vit, bu ñu yegg see ci loo xam ne nag dañ la bëgg a dénk réew nga yegg jege jege boo xam ne dem nga ba génn élection présidentielle troisième position dem ba ñuy wax ne yow yaay première opposition bi nga xam yaay ci dëkk bi y a une certaine légèreté boo xam ne bu fekkee ni am na nit ñi dañu war a jël seen courage waxuñu la ni da nga bon jugé wuñu la dañuy wax ni matagul et alors lan nga jàpp ni modeste, des c'est tout simple mais il faut constater. Mhm. quelqu'un qui est présidentiable ne doit pas prêter le flanc. sur yenn aspects aussi légère que ce que tu mel tous les problèmes qui arrivent à passer aujourd'hui c'est Ousmane Sonko moo ko indi les militants ils ont répondu en masse les militants ils ont cotisé les militants ils se sont organisés mais regarde tous les tous les problèmes yi nga xam ne tey passé moom la jànkonteel du début à la fin jëlal benn bu ci nekk benn bu ci nekk gaafu Ousmane Sonko la moo du pat du loo xam militant bi moo def du loo xam sympathisant bi moo def du loo xam militant bi ñàkk def la du loo xam ne lu sympathisant bi ñàkk def la mais loo xam ne mi ngi jógee ci son bon vouloir

Donc, man, je vous di dénigrer un passé. Je vous me di di dénigrer un Ousmane Sonko. Lu may wax mooy que ni ça serait un danger ci état bi ñu toll tey li nga xam ne la passé di dénigrer ci biir ak ñi nga xam ne ñoo yor mais lu ko raw moo nekk ci passé di fa jaar te loolu ku mel ni dof xam na ko ñeneen ak ñeneen xam ko y a trois choses ñoo am y a les Sénégalais qui n'ont pas compris il y a les Sénégalais qui ont compris et il y a les autres Sénégalais qui ont compris, mais à des niveaux différents. Mhm. Et Taïman, Gapunani, tey ñu bëri ñu ngi leen di transhumance ak affaire non ils ont compris ci beneen dimension. Mhm. Moi, il ma l'avoir wax tout à l'heure borom yat du xeex ak borom fetal yéen a dëgër bopp yi jaay sa askan alors l'homme de bëgg exactement l'homme de bëgg hmm. plus clair. L'homme ma bëgg a wax tout simplement. Mhm. tey il faut pas que les Sénégalais espèrent que par rapport à le discours de l'Union, wax nga xam ne neex na pratique bi ko am Mali c'est des militaires ils ont suivi des formations militaires stratégiques y a des armée mais ça ils ne ne peuvent pas contrôler leur pays pas parce qu'ils n'ont pas les stratégies mmh. pas parce qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels de le faire mais les moyens matériels à niveau et ça c'est de vue pour ñëpp le niveau. nous nous contrôler le territoire nous nous contrôler la stabilité économique et sociale bi nga famille ni la major Kandji doon tout à l'heure mhm. ci vous laay d'accord avec moi, on n'a pas besoin par contre impérativement de la France pour se développer mhm. mais par contre il y a une manière de faire il y a une manière de mener des révolutions et vous Burkina vous avez vu les attentats qui se passent actuellement oui. Vous avez vu les attentats qui se passent actuellement au Mali. Mhm. Vous voulez que nous nous la même chose Parce que tout simplement, nous avons bravoure à Ndiambar. Qu'est-ce nous avons dit Ndiambar au Sénégal Qu'est-ce qu'on a dit Bourla Qu'est-ce qu'on a dit Sénégal Tout va bien. Les seules révolutions qui ont marché et qui continuent à marcher jusqu'à présent, c'est la révolution de nos euh, hommes qui ont été chez Ahmadou Bamba. Tout va pour la nerf, nous avons fait que c'est tout va. Tay Baye Fall rek moo ñeme fenn fu ko neex mu taxaw ci monde là, taxaw ni laa ilaha illallah te kenn ko ni terroriste la benn ñaar ba ñeent sondé ci famille di leen indi Touba ñuy joxe addiya di indi ay yeneen Touba yeneen indi et c'est ça le concept qu'il faut essayer de développer et pas suivre les la résistance guerrière n'a jamais réglé quoi que ce soit parce que on n'est pas encore prêt Une population bi topp Ousmane Sonko wala ces partis là ay y a des sénégalais yoo xam ni y a des alpha y a les bêta y a des xam dañuy suivre rek mais est-ce que est-ce que est-ce que amul amul loo Ousmane Sonko daf leen ko wanoon lo xamante peut-être ñom gis nañ ci sen bop euh, mo taxone euh, ñu top ko en plus de cela ndax euh, japoni comme ni ko waxee ci say ci say cadeau su ko bu ba parce que yow jàpp nga ne lepp li xew que ni actuellement c'est à cause de Ousmane Sonko alors la question je me pose moy responsabilité. ñi nga xamante ni ñooy ay njegeñaaleem bu fekkee amour bi nga xamante ni ñu ngi koy am ci Ousmane Sonko lan moo tax ñu seetaan ba mbir yegg si fii. non mais c'est-à-dire du du du loolu c'est-à-dire un parti dafay nekk benn parti boo xam ne dafay structuré. Mm-hmm. parti li koy li koy suuxal liy dëgëral parti mooy li nga xam ne mooy légitimité bi day jóge ci base bi ñëw ci kaw. donc da nga jàpp ne légitimité amu fa.

Donc, wax effectivement ak mais si on n'arrive pas à canaliser toute cette force si cette force c'est une force pour le Sénégal et d'instabilité pour le Sénégal mais et c'est ces mêmes gens là Ousmane Sonko nous retourner parce que la Banque mondiale va fermer ses vannes. Ah, euh, euh, les partenaires économiques. vont fermer leurs vannes oui. monsieur <laughs> maa ngi lay ziar bu baax. waaw euh, yow euh, ancien ancien membre et cadre Pastef ex ex hein? oui. waaw ñun dañu dañu euh, sentir ben ben ben manipulation boo xamante nii tout bon membre ku ku ku ku génn rek ku jug rek bëgg bëgg am tuut wala bëgg am buzz wala bëgg wala bëgg nit nit ñi xam la il faut que tu attaques à Ousmane Sonko il faut que nga attaquer le leader de l'opposition Ousmane Sonko yow Pastef nga doon militer au niveau de Suisse. yaakaar naa ni. ba ba nga waa baal ma eggal sama question s'il euh, bi ngay dem di jàppale Ousmane Sonko yëguñu tinuñu et yaakaar naa ni yow tamit tu étais intellectuellement bien préparé la moo waral nga. nga nga nga génn Pastef et puis génn Pastef encore une fois euh, je sens benn xam naa ni ngay wax yaa ngi attaqué Nit Dof te euh, Nit Dof mi ngi toogoon ci plateau di wax li nga xamante ne moom mooy xalaatam comme tout bon sénégalais et puis moom Nit Dof c'est un activiste je crois que bu ñuy nekkee di génn yenn mooy ci wax ci ci ci ci ci askanam pour mën am na fu mu ko teg mais dañu sentir benn benn façon de manipula manipulation yéen certains ak ñi ma ko ñi ma ko sañ a wax euh, parce que euh, bu ñu déggee say kàddu yaa ngi attaqué Ousmane Sonko c' est normal parce que tamit benn instant euh, pour man ku ne am nga sa opinion bu normal mais ñu les sénégalais ñun ñi nga xam ne moom opinion bi Euh, nan lañuy euh, nan lañu mëna xalaat xaaj ci ci ci politiciens yi parce que ku ku génn fenn rek il faut nga ŋàññ après nous les Sénégalais on a du mal à comprendre ban discours mo gëna mo gëna mo gëna baax pour ñàkk déglu lool may la la question mo ma bëggoon relancer. bon là ça c'est le problème des Sénégalais encore une fois maintenant l'autre aussi sa interprétation le su fekkee ni li may wax danga ko attaque moi je te parle de faits et je reste que sur les faits et je ne veux pas personnaliser encore une fois, je parle du Sénégal et je parle de la stabilité du Sénégal. Et effectivement, comme nous l'avons dit, quand les appelé de l'Ivoire pour 1000 millions à les repassé. je demandais à personne. Et c'est de la même manière aussi que j'ai le compte à rendre à personne. Si je me disais que je ne vois pas ce que je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a des enfants qui ont été déportés. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire pour le Sénégal. Si je me disais que c'est un danger pour le Sénégal, je sors le dire. Maintenant que les gens l'appellent manipulation, après kenn ku nekk am le droit nga interpréter nos la mm-hmm. mais malgré ne may wax lu là. gëm ma xam-xam nañ ko et que je n'ai pas commencé en dehors du passé. je suis resté dans le passé pendant deux ans en interne di ne li pas xeex waa Pastef pourquoi tu te poses pas la question pourquoi tu as voulu que génn commencé génn ba Il a aucune voie autorisée passer pour pour génn contredire ko wala mu alors en tant que journaliste vais me poser cette question au lieu nga qu'il insinuer y a une manipulation donc il y a une manipulation je te le conseille vous y a ni manipulation nga parce que quelqu'un nous nekk fi xelam à niveau bi mais niveau bi métal, manipulation encore une fois je reste encore constant sur le même. pour la stabilité du Sénégal actuellement si même je ne suis pas d'accord avec le président Macky Sall sur beaucoup de points moi je suis pour la stabilité du Sénégal et je dis que le peuple sénégalais et la majeure partie cette masse critique dont Ousmane Sonko parlait n'est pas encore atteinte pour que nous le Sénégal nous ko dans une instabilité On xam après nous xam donc il y a une autre manière de faire la révolution et moi je suis encore sur un niveau de compréhension de la politique parce que j'ai eu à le pratiquer à un certain moment et li nga la différence entre Ousmane Sonko wala Partem ak ñi nga la j'ai vu que j'ai vu pire de l'autre côté du Manekon. et quand je vois pire que gu joxaguñu leen nguur amaguñu décret amaguñu garde du corps amaguñu ñu ci li lañ leen jox ndaw su ne mën nga koy dégg ñu wax la ginnaaw nemmeeku tuur fan lañ ko dugal laa jël ma benn ma Pastef moo ñëw taxaw ni la nemmeeku tuur bi bilan bi fii lañ ko dugal ñu génne la bilan bu leer nañ ndax mën nga ko gis est-ce que mën nga ko dégg est-ce que les gens en parlent alors dama ni bu fekkee ne da woote sangu da nga koy wootee ci sa bopp donc quand je vois des comme ça man du ma nekk magum xamoon naa ko damay nekk magum waxoon naa ko. donc li may wax encore ma resté si lu may wax ma continuer ci que ni moom peut-être dafa joxe xalaatam rek mais ñun sa xalaat te yow aussi am nga ci droit nga nga wax ko ñun aussi dañ la koy nangul. non mais je suis parfaitement d'accord y a aucun souci moo tax ma dugg pour joxe suma xalaat et noonu lay accepté léegi en fait buñ ko nekkul ci xalaatu kii wala xalaatu kële. Mhm. encore une fois je voulais continuer sur une lancée très importante. ok vas-y dama uh-huh. may wax lu may wax c'est parce que ça après daf ñuy yóbbu niveau mais man niveau bi may wax laa bëgg a taxaw quoi c'est-à-dire ce que je suis en train de dire je parle à la jeunesse sénégalaise ñu ubbi seen bët ñu xam ni le jour bu ñu caaxaane ba ñu déstabiliser ce pays là. a ci am le Nigeria, moo les doole côté économie ci côté armée ci côté net. quand ils ont déstabilisé le Nigeria avec Boko Haram vous pensez que Boko Haram des des ñoom ñoo ñëw parce que nous bëgg des pays. dëkk non non y a l'influence des multinationales il y a l'influence de l'Occident parce que tout simplement les Indiens woon pour coloniser nous. la c'était à la recherche des ressources humaines et des ressources naturelles ressource humaine mooy suñu maam yi ñu jëloon yóbbu leen di leen liggéeyloo ressource naturelle yi ressource yi ñu jëloon dem transformer et c' le même cas de figure qui existe encore une fois Europe lu ñuy gën di dem seen ressource musuñu am ressource naturelle bu doy lu ñuy gën di dem amatuñu ko lu ñuy gën di dem Afrique di am donc loolu noonu parce que pexe yooyu ñu defoon ba coloniser ñu ba indi esclavage pexe yooyu moo fi indi néocolonialisme yu nekk tey mais est que maintenant on a dañu war a toog ñun fi ñu toll tey ak fi àdduna ils utiliser même pas yi suñu maam yi doon utiliser te nous, ko euh, réussir nous, ko ci réussir bëriwul ñu continuer de faire une révolution yo xamni après on va limer dañuy lim Thomas Sankara dañuy lim Patrice Lumumba dañuy lim kenen ak Kenen ak kenen alors il faut qu'on qu'on revienne sur terre et qu'on quitte l'émotionnel et que nous dem ci xalat bi comment faire cette évolution d'accord hmm. merci par rapport actuellement aux moyens qui nous sont donnés et pour pas simplement dem defe Sénégal

n'est qu'un ancien membre et cadre ex qu'un faux foofu de la Suisse alors si côté régie pou que baax nous rek ñu dem service commercial dellu siwat, suis une deuxième partie l'essentiel du matin